le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Forum de la presse. Le Forum de la presse du studio Kalangou est une émission hebdomadaire qui reçoit chaque vendredi des journalistes d'autres médias nigériens pour parler des faits ayant marqué la semaine. À la présentation, Mokhtar Hamadou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique désormais de 34 radios partenaires qui diffusent en direct les programmes du studio Kalangou sur l'ensemble du Niger. Chers auditeurs, aujourd'hui vendredi 19 janvier 2018, nous parlerons de l'attaque mercredi soir d'une position des forces armées nigériennes à Toumoura, région de Difa. Au plan médiatique, notons le deuxième anniversaire des programmes et de diffusion du studio Kalangou sur le Niger et la confiscation lundi des caméras des télévisions là-bas par des éléments de la garde nationale lors d'une manifestation des scolaires au lycée Corombé de Niamey. Sur le front social, le bras de fer entre les étudiants et le gouvernement d'une part et entre promoteurs des instituts et écoles professionnelles et le gouvernement à d'autres part. Toujours au niveau du front social, il y a la marche suivie des meetings du cadre de concertation des organisations de la société civile organisée dimanche dernier à Niamey et dans certaines localités du pays. Avec nous ce soir, en ce moment même, pour développer ces sujets, Murtala Mamadou de l'obdomadaire satirique La Griffe. Murtala Mamadou, bonsoir. Avec nous également Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Nous attendons des moments à l'autre euh, Garé Amadou, journaliste, journaliste au quotidien La Nation. Murtala Mamadou, journaliste à l'hebdomadaire satirique La Griffe, encore une autre attaque mercredi contre des militaires nigériens à Toumoura, une attaque attribuée à Boko Haram à un moment où on pensait avoir sérieusement affaibli ce groupe terroriste. Comment l'expliquer alors, euh, d'abord, euh, j'aimerais dire que euh, le groupe terroriste Boko Haram est certes affaibli, mais il n'est pas totalement vaincu. Alors, puisqu'on est conscient qu'il n'est pas vaincu, ça veut dire que la menace, elle existe encore. Euh, euh, le problème qui, de mon point de vue, qui se pose, c'est que euh, on a, on a eu l'impression que, les menaces de Boko Haram sont de plus en plus faibles, Boko Haram étant affaibli, donc on avait le droit de poser, de, baisser la garde, et, si on baisse la garde, ça donne des, des, des hécatombes euh, comme, euh, celle auquel nous sommes en train d'assister. Mais aussi, il ne faut pas oublier, je crois que le, problème qui se pose au niveau de, de, de, tout ce problème sécuritaire dans notre pays, c'est à savoir, euh, on n'arrive pas toujours à euh, à, convaincre les populations à pouvoir collaborer et afin de, de, de signaler des mouvements suspects ou des personnes suspectes. Donc tout le problème demeure, même si les groupes terroristes sont affaiblis, il constitue comme des menaces. Et tant qu'on n'arrivera pas à résoudre le problème de la disposition, de disponibilité de l'information, celle dont les populations qui sont dans les, zones euh, soumises à cette insécurité peuvent fournir aux forces de défense et de sécurité, on aura toujours des problèmes parce que les positions de ces forces de défense vont toujours être prises par surprise. Dougou, journaliste au groupe de presse à Ténéré, que retenir de cette nouvelle attaque de Boko Haram à Toumoura ou comment l'expliquer D'abord, c'est la désolation. Nous présentons tout d'abord nos condoléances les plus attestées aux familles des victimes et prompt rétablissement euh, aux blessés et courage aux forces de défense et de sécurité. Ils ont tout notre soutien et courage également aux populations qui doivent, euh, au-delà euh, d'être protégées par ces forces de défense et de sécurité, contribuer à la sécurisation de leur localité. En faisant quoi En donnant les informations, les renseignements à temps réel. Dès que vous constatez des déplacements suspects dans la zone, alerter les forces de défense et de sécurité. La situation dans DIFA, on n'a pas dit que c'était fini. Personne n'a dit que. Mais on croyait que le groupe terroriste a, euh, affaibli. Affaiblir, ça ne veut pas dire finir. C'est ça la différence. Il faut pas que, même je me rappelle en fin dernier le point de presse du, gouverneur pour faire le point de la situation, il n'avait pas parlé de, fin de la guerre, mais il a dit nous remercions euh, les forces de défense, euh, de défense et de sécurité et ceux qui contribuent à la stabilisation avec un trimestre d'accalmie. Parce que c'est un temps, on avait complètement de l'accalmie. C'était salutaire. C'était la région nord Tilabéry qui était concernée. Est-ce que c'était pas parce que il y a la, rivière Komadougou qui est, eh, qui est en effet. Euh, il y a plusieurs facteurs, Mokhtar. Euh, parce que même la semaine, c'est-à-dire c'est en même temps Boko Haram s'est réveillé. Au Nigeria, Boko Haram a continué à, à ressurgir avec une série d'attaques qui avaient surpris. Parce que, vous savez, les deux pays sont dans un processus de déradicalisation des combattants parce que certes les pays n'ont pas le même programme parce que seulement on a focalisé sur les, euh, combattants de Boko Haram or qu'au Nigeria grâce à des fondations comme Nîmes et autres il faut aussi déradicaliser les populations parce que pourquoi les populations sont frustrées ils ont été victimes C'est quelqu'un qui a il sait que c'est un tel qui est venu dans notre village égorger un tel lui aussi, il est dans une forme de radicalisation. Il est radical, mais il faudrait l'amener, lui, là où il peut le sauver rapidement parce qu'il n'est pas, il s'est pas versé dans la violence. Donc, vous voyez, on était en train de célébrer cette réussite dans les deux pays et quand la force a commencé. Ce qui veut dire encore, il y a du travail à faire. Maintenant, on l'a toujours dit. Vous savez, Toumour a été toujours vulnérable. Même les autres, même tout, tout poste militaire est vulnérable tant que la population ne contribue pas, n'aide pas les forces de défense de sécurité dans l'accomplissement de leur mission. Il faut renseigner, il faut créer. Moi, je pense que là aussi, c'est une dynamique. Il faut aussi, du côté des forces de défense et de sécurité, il faut aussi être vigilant. Vigilance, mais attendez, il ne faut pas tout, le temps les accuser. Moi, ces gens-là, vraiment, parfois, quand de les voir, j'ai pitié pour moi-même. Parce que ils sont censés, moi, me protéger j'ai pitié pour moi-même parce que je vois dans les conditions dans lesquelles ils exercent. Il faut reconnaître les réalités de notre pays. Le ministre Bazom l'a dit lors de, l'attaque de, de, eh, Daïrou. Quand vous n'avez pas la même puissance de feu égale, ce qui veut dire que c'est la débandade, c'est le chaos qui va s'installer. Tout de même, vous pouvez avoir, ne pas avoir la même puissance de feu, le même rapport de euh, force, mais si vous avez le renseignement à temps, ce qui s'est passé euh, dans la, euh, hier dans la région de Walam. Non, ah, pas à Doumar. Euh, dans la région de Walam, à mm. vers C'était salutaire parce qu'il y a eu le renseignement qui étaient venus à temps aux militaires et ils ont pris appréhender ces bandits. Tant qu'il y a ces renseignements, je vous assure qu'ils peuvent contrôler la situation. Mais tant que les gens, on voit des mouvements suspects, on ne, on ne prévient pas les forces de défense et de sécurité. C'est ça, ça, qui conduit vraiment à ce drame. Pour finir, Mokhtar, moi j'ai il faut impulser, il faut impulser une nouvelle dynamique. C'est quoi Faire en sorte que l'insécurité au niveau, la perception de l'insécurité par les populations ne soit pas perçue comme au niveau des forces de défense, mais qu'ils comprennent que les forces de défense et de sécurité sont aussi une collaboration, un moyen de collaboration pour leur propre sécurité. Il faut qu'on impulse cette dynamique pour que eux, ils comprennent qu'aujourd'hui, sans leur renseignement, ils exposent les forces de défense et eux-mêmes leurs biens et leur vie. Gary Amadou du quotidien La Nation. Euh, cette, attaque cette osée a coûté la vie à plusieurs militaires enterrés ce matin, sans compter les véhicules emportés selon RFI captés aujourd'hui. Comment voyez-vous la communication du gouvernement qui refuse de parler à chaud euh, D'abord, avant de, commenter cette actualité permettez-moi quand même de présenter mes condoléances euh, au studio Kalangu qui vient de prendre un chauffeur, un chauffeur que je connais bien parce que mon premier débat au studio Kalangu, c'est lui qui est parti me prendre au niveau du journal l'événement. Vraiment, je présente mes condoléances à sa famille, vraiment, et à tout le personnel du studio Kalangu. Je souhaite euh, en même temps aussi joyeux anniversaire au studio Kalangu qui a fêté. Euh, on va en parler dans un instant. Donc, concernant effectivement, le, vous savez, les questions de sécurité ce n'est pas bon de, de, se précipiter. Parce que quand on se précipite pour faire une communication, la plupart du temps, on se, on se casse la figure parce que on présente d'abord des bilans qui sont provisoires, qui peuvent évoluer. Certainement que pour le gouvernement, il faut attendre d'avoir la dernière situation, puisqu'on parle de militaires disparus. Est-ce que ces militaires disparus-là, selon les premières informations, sont-ils morts, sont-ils vivants Donc il faut recueillir toutes les informations avant de faire une communication. C'est peut-être ça qui fait que euh, le gouvernement prend des précautions d'abord. Euh, euh, mais les informations données par RFI, je ne sais pas d'où elles les tiennent, mais RFI est une radio très sérieuse, ça veut dire qu'ils ont des sources. mais je pense que il y a une, il y a une, malheureuse coïncidence entre la publication d'un rapport euh, euh, récemment par euh, OCHA qui, qui, a, qui, a, livré une carte sur laquelle on montre des zones qui ont été la plupart du temps attaquées en 2017. Et sur cette carte-là, il apparaît très clairement que Toumour et, quelques zones sont les zones les moins attaquées. Est-ce que l'attaque de Toumour est l'une des conséquences du retrait des forces tchadiennes Non les forces de Boko Haram sont dans une situation de débandade. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a une offensive conjointe des forces euh, euh, multinationales. dans la forêt de Sambisa avec un objectif très clair. Tuer Abubakar Shekau ou le capturer ou tuer euh, Al-Barnawi. C'est ça l'offensive. Et alors, et, des résultats sont en train de tomber parce que des armes sont en train des militants de Boko Haram sont en train d'être tués. Déjà des militants affamés qui cherchent tout le temps à chercher à manger et qui sont maintenant en, position vraiment de, de pratiquement de, en fuite il, y a eu des repentis, 26 repentis de Boko Haram. Voilà la, preuve. Il y a des problèmes au sein de Boko Haram. Ils sont acculés au niveau du territoire nigérien par les forces multinationales. Il n'y a aucune issue de sortie. La seule issue de sortie pour les combattants nigériens de Boko Haram, c'est de déposer les armes. Mais pour ceux qui refusent de déposer les armes, ils savent le sort, qu'il a réservé. C'est-à-dire que cette bataille-là, moi je suis sûr d'une chose, je ne dis pas qu'en 2018 elle sera gagnée, mais Boko Haram n'a aucune avenir. À quoi avenir Passons à présent à la célébration du deuxième anniversaire du studio Kalangou. 18 janvier 2016, 18 janvier 2018. Cela fait deux ans que le, le, studio Kalangou diffuse son programme radiophonique quotidien sur le Niger. Un programme quotidien de deux heures diffusé d'abord par 10 radios, puis 20, 20 et aujourd'hui le réseau des radios partenaires qui diffusent nos programmes est euh, de 34 radios privées et communautaires. Ces 34 radios sont dans les huit régions du Niger et nous diffusons dans les cinq principales langues utilisées au Niger. Quelle appréciation font les auditeurs du studio Kalangou après deux ans d'activité Écoutons d'abord les impressions de Adamou Garba, un Nigérien qui suit les programmes du studio Kalangou depuis la France à partir du site web studiokalangou.org. L'arrivée de Kalangou a enrichi le paysage médiatique au Niger. Il a aussi enrichi la production journalistique au niveau des différents des médias. Et aussi, il est devenu un plus dans la qualité de la présentation des productions. Je suis Kalangou à travers le site web que vous avez et les différentes productions qui ont été déjà archivées, ce qui est quand même euh, une bonne chose pour euh, quelqu'un qui est à l'extérieur du Niger. Ce que je souhaiterais, c'est surtout de continuer à diversifier les thématiques, par exemple les questions environnementales, aller en profondeur sur euh, certains aspects. On pourrait parler d'autres questions comme euh, de l'accaparement des terres agricoles et pastorales au Niger, bien d'autres questions qui nous intéressent spécialement. Écoutons à présent des auditeurs de Félingué. J'écoute Kalangu tous les soirs, les informations et le débat dans les langues. Et mon opinion sur euh, les activités de Kalangu, c'est que j'aime les informations qu'il donne en français et dans les langues nationales. Ça, c'est très important. En un temps record, il traverse tout le Niger et il donne à la population qui parle français et les autres langues les informations. Mon attente, c'est vraiment par rapport au temps qui est imparti aux différentes euh, rubriques. 15 minutes, moi, je pense que c'est trop peu pour voir tout ce qui se passe dans le Niger. Il faut augmenter quelques minutes encore pour s'informer. Je souhaite euh, un bon anniversaire à Kalangu et longue vie à Kalangu. En ce qui concerne euh, les prestations de la radio Kalangu, je dirais vraiment félicitations. En deux ans, vous nous avez beaucoup comblés. Continuez dans ce sens. Ce qui me plaît dans Kalangu, c'est surtout sa proximité. En temps réel, les informations de toutes les localités du Niger, dans les principales langues du Niger. Enfin, voici un extrait du préfet d'Ayorou et celui du chef du groupement Touareg de Bankilari. programme euh, Globalement, je quand même un bon programme en partenariat avec euh, d'autres radios à l'échelle, je pense bien, nationale. Comment vous voyez la diffusion sur euh, des différentes langues nationales Je pense que c'est une très bonne chose. Cela euh, se joue parfaitement au niveau de votre radio. Je pense que le fait d'utiliser ces langues, votre radio, c'est une contribution inestimable pour les Nigériens, plus particulièrement pour les, populations qui n'ont pas eu cette chance d'être instruites programmes sont très bons. Vous avez de belles émissions qui vont dans le cadre de la sécurité, qui vont dans le cadre euh, du bien-être des populations. C'est une bonne chose, la diffusion de vos programmes dans les différentes langues. Tamashek, Toul, Français et Hausa, les cinq langues. Mon dernier mot, c'est de lui demander d'élargir son champ d'action. Issa Madougou du groupe de presse euh, Ténéré, vous venez là de suivre les impressions de quelques auditeurs du studio Kalangou au Niger et à l'extérieur du pays quel commentaire Tout d'abord, euh, je vous souhaite euh, joyeux anniversaire. Et merci pour avoir contribué à la renaissance de la radio. Parce que la radio était en déclin au Niger à un moment où Kalangou a, commencé euh, ses, activités à émettre vraiment. Parce qu'il faut le reconnaître un temps, la radio au Niger, on ne se retrouve plus. On ne sait pas si c'est de la radio en fait, or qu'on a négligé la puissance de la radio. La radio elle a contribué énormément dans l'éveil de conscience au Niger. On sait dans les années où la radio faisait la fierté, chacun, vous ne pouvez pas passer dans une fada ou bien là où il y a un groupement de personnes, même individuellement. Vous voyez, les gens sont escotés à leur poste radio. Mais au fil du temps, parce que les gens ne produisaient pas, il faut le dire, il faut, être, il faut nous dire, nous même ce que si on entend d'échouer, il faut le dire. Ce que nous, qui sommes acteurs de ces médias, nous ne produisons pas, nous ne faisons pas la radio au lieu d'informer, éduquer, non, nous avons abandonné ces deux pans, nous sommes dans, la, le divertissement. Mais vous êtes venus aujourd'hui avec des programmes, des magazines, de, surtout la proximité des sujets que vous traitez. Moi, je pense que c'est, il faut aller de l'avant. Certainement, moi, j'ai des suggestions à vous faire. C'est vrai, Studio Kalangu, vous, vous, êtes en train de faire du bon travail et je vous encourage. Mais il faut éteindre un peu faut aller peut-être à 20 h peut-être de 16 h à 20 h pour permettre aux gens et améliorer encore, amener des, parce que les gens ont envie. Vous avez amené, réveillé le goût encore de la radio au Nigérien. J'ai vu avec Kalangu aujourd'hui, moi-même, je ne suis plus adepte de, des radios locales. Je ne l'écoutais plus. J'écoute, je suis toujours scotché sur RFI. Mais depuis l'arrivée de Kalangu, euh, à des heures, je suis obligé de, prendre, même si je n'ai pas de poste de radio, mon téléphone et de chercher euh, une fréquence qui émet les programmes de Kalongo. Vous voyez, donc il faudrait un peu donner plus d'occasion euh, aux gens d'écouter. Murtala Mamadou de l'hebdomadaire La Griffe, comment voyez-vous l'évolution du studio Kalangou euh, en termes d'évolution, je crois que ça a été euh, exceptionnel. Exceptionnel le voir en, intervalle de l'intervalle de deux années euh, seulement, les programmes du studio Kalangu se sont élargis pour aller couvrir cinq langues, les cinq principales langues parlées dans ce mhm. pays. Et avec 34 radios partenaires. 34 radios partenaires, j'allais en venir justement cette pénétration que dans le, studio Kalangu a réussi, de pouvoir toucher à partir de Niamey l'auditeur qui se trouve je sais pas, à Bankilare ou à Bilma. alors que euh, dans un passé récent, oui, avant le début des, émissions du studio Kalangu, c'était des populations qui quand même euh, ne recevaient pas carrément des infos d'information. Et ce qui est intéressant avec le, studio Kalangu, c'est que ces populations qui se retrouvent par exemple à Bilma, Ngalewa, ont la possibilité d'avoir, euh, de recevoir l'actualité qui se passe chez eux donc cette euh, euh, proximité et cette force de pénétration euh, a fait quand même le succès du studio Kalangou, le succès dont vient d'évoquer Issa Madougou, en plus d'avoir quand même contribué à, la libéralisation quand même de l'information, parce que quand même avant, on s'est dit les radios, c'est dans les métropoles, les principales agglomérations, donc comme s'il n'y a que ces populations qui ont droit à l'information, celles les zones rurales n'en avaient pas. Garé Amadou du quotidien La Nation, avez-vous des suggestions ou des recommandations particulières ou même des critiques sur ce que fait le studio Kalangu Non, je n'ai pas, pas, de critiques à, faire au studio Kalangu Peut-être, comme l'ont dit, comme dit mes, prédécesseurs, c'est peut-être que le studio Kalangu puisse étendre en tout cas son, son, son audience, en tout cas pour que la fréquence puisse être plus perceptible dans d'autres localités lointaines. Parce qu'il faut le dire, le studio Kalangu est venu combler un vide. Parce qu'aujourd'hui, d'abord les médias les radios sont pour la plupart localisées à Niamey. Celles que les moins émettent à l'intérieur du pays dans les chefs-lieux du département. Point. Mais pire, ce que l'information véhiculée par ces médias-là est polluée par les penchants politiques des promoteurs ou de certains journalistes. Studio Kalangu est venu pour donner l'information équilibrée. Je ne dis pas que les, journalistes de Studio Kalangu n'ont pas de passion politique, mais ils, font le maximum pour que l'information soit équilibrée. C'est-à-dire que par rapport à un sujet bien déterminé, ils vont essayer de prendre les interlocuteurs sans donner leur avis, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des radios. Donc il y, a un, souci d'avoir de l'information que Studio Kalangu vient de d'équité que le studio Flungu est, en train de combler. Et ça, je vous dis, le succès va partir en grandissant. Parce que je sais que dans 5 ans, le studio Kalangu, avec les moyens que les partenaires vont pouvoir mettre à sa disposition, sera la radio la plus écoutée du Niger. J'en suis sûr et certain. Euh, vous avez quelque chose à ajouter rapidement oui, oui, il faut suivre seulement avec la technologie parce que les gens attendent aussi l'application de euh, téléphonique de Studio Kalango pour pouvoir euh, suivre en streaming les émissions parce que vous savez certains n'ont pas les heures c'est bon heureusement que vous avez une page dynamique Facebook et aussi votre site web mais aussi il faut penser à ça pour mettre vraiment les, tout à ce que les Nigériens parce que la renommée de Studio Kalango vous qui travaillez studio Kalangu, vous ne pouvez pas le savoir. C'est au-delà des frontières. Ça fait vraiment grand bruit parce que les gens sont confiants, comme Gary l'a dit. L'équilibre dans le traitement de l'information fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens préfèrent, se précipitent pour écouter Kalangu et les forums pour dire ok voilà c'est Kalangu, c'est l'heure, il faut que j'ai le temps pour me concentrer pour écouter. Vraiment, bon courage et puis il faut penser à ça, à d'autres programmes aussi. Voilà, il faut, rapidement en quelques lignes que c'est la même chose au Mali. Aujourd'hui, le studio Tamani qui est un peu le, jumeau de, du studio Kalangu a acquis vraiment une autorité, vraiment une audience incroyable au Mali. L'autre point sur le paysage médiatique nigérien, toujours, c'est ce qui s'est passé, ce qui s'est produit lundi au lycée Corombé du Niamey, où des éléments de la garde nationale ont pris les caméras des équipes des télévisions Labari et Ténéré. Ces équipes couvraient la protestation des, élèves militants de l'Union des scolaires nigériens, puis ces caméras ont été restituées après suppression des enregistrements. Celle de Labari a même été endommagée par prise avec violence selon le reporter de cette télévision. Murtala Mahamadou de l'hebdomadaire La Griffe. Euh, quelle réaction par rapport à ces faits Bien, vous euh, on passe d'une actualité reluisante à une autre qui, qui l'est moins. Vous euh, Et c'est ça aussi le contrat, c'est ça aussi notre boulot. Euh, autant on peut se réjouir des efforts qui sont fournis le studio Kalangu pour euh, diffuser une information vraie, autant on peut aujourd'hui s'offusquer de voir que euh, malheureusement les forces de défense et de sécurité, en tout cas les agents sur le terrain, euh, ne savent pas la plupart d'entre eux pourquoi ils sont sur le terrain. pourquoi s'en prendre à un reporter qui fait son travail Je dis toujours, tu as fait ton choix, c'est ton choix d'être agent de la, de, la force publique de sécurité, c'est mon choix d'être reporter. On se retrouve sur le terrain, chacun a sa part de, de travail à faire pour servir la société. Tu fais ton travail de médecin rôle. moi je fais le mien de rapporter ce qui s'est passé parce que l'opinion a le droit de savoir ce qui s'est passé. Même si tu as fait des bavures, il faut que l'opinion les sache. Donc euh, on est toujours dans euh, euh, ces, rapports extrêmement tendus parfois et qui fait que certains agents, peut-être du fait de leur ignorance de l'importance du rôle d'un journaliste dans une société, estiment que les journalistes sont entre guillemets ces hypocrites qui veulent dévoiler ce qu'ils sont en train de faire. Mais bon sang, il est unanimement admis, si tu sais ce que tu fais, que ce que tu fais, tu n'as rien à te reprocher, c'est quelque chose de tout à fait normal. Pourquoi tu crains qu'on le montre Pourquoi tu crains que les autres le sachent Donc, vous voyez, euh, euh, on est dans cette situation, et je pense d'ailleurs, c'est l'occasion de, le dire, que ces agents euh, sont, de mon point de vue, de leur formation ne bénéficie pas d'une formation efficiente dans le relationnel. Et, c'est ce qui conduit à beaucoup de ces, bavures vis-à-vis des journalistes, mais aussi vis-à-vis de certains manifestants et certaines franges de la population. Et quelque chose qu'il faut corriger. Garé Amadou du quotidien La Nation, comment expliquez-vous ces brutalités répétitives sur les hommes des médias car ça dure depuis de longues années Moi je pense qu'il y a un travail à faire pour essayer de faire en sorte que les forces de défense et de sécurité puissent comprendre leur rôle lorsqu'il y a une manifestation et surtout comme l'a dit Murtala, euh, quel est le rôle des journalistes C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de... Moi j'avais préconisé un moment qu'il y ait un forum entre les forces de défense et de sécurité et les médias pour parler de ces choses-là. C'est-à-dire que il y a un problème d'incompréhension. C'est-à-dire que le journaliste qui est sur le terrain et, donne l'information, n'est-ce pas Il est là pour filmer une manifestation. S'il y a une manifestation qui est en train d'être réprimée, tout ce que vous pouvez faire, c'est dire au journaliste de reculer, n'est-ce pas Mais vous n'avez pas le droit de prendre leur matériel, et justement pour le matériel de la barre qui a été endommagé. J'espère que les, responsables de la barre vont prendre des dispositions pour qu'on puisse soit leur restituer une caméra noble ou qu'on puisse leur réparer leur matériel parce que c'est inadmissible, n'est-ce pas Donc, eh, la plupart de ces policiers sont des policiers jeunes. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un travail de formation. Pourquoi pourquoi pas au niveau de l'École nationale de police, dans un des modules de formation, introduire le module, eh, eh, comment on appelle ça là, sur les libertés publiques. Et dans ces modules-là, on va trouver un enseignant qui va expliquer aux policiers que lors de manifestations, n'est-ce pas, ou lors des activités de la police de répression de certaines manifestations, les journalistes ont le droit de filmer, n'est-ce pas Mais voilà là où s'arrête euh, euh, le truc. C'est-à-dire qu'un périmètre de sécurité peut être mis. Les journalistes ne doivent pas dépasser ce périmètre de sécurité-là. Et là, s'il y a une, incompréhension entre... Euh, s'il y a cette formation-là au niveau de l'École nationale de police, ça peut permettre vraiment d'empêcher de, à ce que des cas comme ça puissent se répéter. Parce que il y a un autre volet aussi, parce que je, je, je crois qu'il faut bien comprendre que même les journalistes qui vont euh, euh, couvrir des, théâtres d'opérations des, opérations de guerre, sont des journalistes qui sont assurés. Le matériel est assuré, les journalistes sont assurés, et donc, euh, quoi qu'il leur arrive, leur famille sera un peu remise dans ses droits. Mais vous avez des journalistes qui n'ont pas de salaire, pendant que le patron est dans son bureau climatisé, assis, il envoie des journalistes, des jeunes journalistes au casse-pipe avec du matériel. Au lieu de leur dire, attention, ne prenez pas de risques. Parce que j'ai écouté le communiqué de la maison de la presse, et effectivement, c'est pas la peine de prendre trop de risques. Parce que pensez d'abord à votre propre situation. Vos patrons ne vous payent même pas de salaire. Et même s'ils vous payent des salaires, c'est des salaires de misère. Alors réfléchissez à deux fois avant de partir risquer votre situation. Parce que même si la police ne vous agresse pas. Dans le cas des jets de pierre, vous pouvez recevoir des coups de, cailloux. Les policiers, au moins, ils ont leur protégé, cailloux. Ils ont les, trucs, comment on appelle ça, pour se protéger. Les, casques. Oui, ils ont des casques. Mais vous, vous avez quoi Vous allez partir dans une manifestation où des, élèves sont en train de jeter des cailloux et vous allez recevoir des cailloux qui vont vous. Vous n'avez aucune assurance. Vous n'avez pas de salaire. Donc, vraiment, j'en appelle aux journalistes qui vont sur le terrain lorsqu'il y a euh, euh, des, des, des, entre manifestations, manifestants et pour l'ordre qu'ils fassent attention. C'est-à-dire qu'ils fassent leur métier en prenant des précautions, à ne pas se mettre en danger, à ne pas mettre le matériel en danger. C'est extrêmement important. Issa Madougou du groupe de presse euh, Ténéré, faut-il espérer un changement ou que préconisez-vous Mes prédécesseurs l'ont dit, c'est la formation. Mais former qui d'abord C'est ça la question qu'il faut se poser. On ne peut pas former quelqu'un qui n'est pas venu par euh, conviction dans le corps. C'est ça aussi. Il faut, vous savez, cette situation, on peut l'analyser sur, divers angles. D'abord, il y a aussi la responsabilité. Parce que pourquoi on décrit On est frustré. Parce que c'est le rapport de force quand il y a les journalistes qui sont violentés. Lui, il est un civil, il est, euh, au, nom du service public, il est en train de recueillir, de collecter de l'information pour aller le traiter. Et l'autre qui est armé avec euh, euh, matraque et consort, avec gaz, c'est ça, c'est ça que les gens décrivent. C'est en fait ce, rapport de force-là. Mais aussi, il faut reconnaître que parfois, les journalistes ne respectent pas, oui, les limites. Parce que quand la couverture des manifestations à caractère violente, il y a des, normes. C'est parce que l'idée de garder là, si on avait pu, les associations professionnelles, ont puisse saisir ça pour organiser un forum de ce genre, je pense que les choses auraient été plus claires. Parce que, moi je me rappelle, euh, en 2015, je crois bien qu'il y a eu les événements de Charlie. Au lendemain, le 17 janvier, il y a eu une manifestation réprimée de l'opposition, où les manifestants de, la place Toumou se sont retrouvés au niveau du siège du MNSD Nassara. Moi, j'ai fait partie des journalistes qui ont couvert l'activité. Mais, vous savez, le jour-là, c'était vraiment une bavure, parce que nous, on ne s'est pas incrusté dans l'heure. Nous, on était au niveau de la déventure. C'est-à-dire, on était à 50 mètres. parce que c'est le matin un policier qui s'en chargeait de l'autre côté, euh, euh, de, vraiment de contrôler les gens, qui nous a un peu expliqué que au minimum, si nous ne pouvons pas faire les 100 mètres derrière eux, il faut faire les 50 mètres. Donc, arrivé au niveau du MNSD, nous, on était à la devanture du ministère de la Justice, eux, ils sont devant le couloir qui, euh, qui, va vers le siège du MNSD. Mais comme il y a une bavure, ils se sont retournés <laughs> contre nous pour nous gazer. Vous voyez, c'est ça. Mais former qui La garde nationale est toujours reconnue dans ces mois. Je pense que pourquoi C'est parce que les cours qui sont en train de donner au niveau de leur euh, euh, centre d'instruction sont sont très militaires. Donc, ce n'est pas des gens qui sont habitués vraiment à des situations urbaines qu'il faudrait revoir pour que le relationnel soit leur comportement et que le maintien d'ordre que ceux qui sont chargés de faire ce maintien d'ordre-là soient vraiment respectueux des dispositions parce qu'il y a vraiment un cahier de charges bien détaillé. C'est pour cela on ne c'est pas pour le Niger dépense de, l'argent pour envoyer, surtout au niveau de la garde nationale ou bien certains corps, des éléments au niveau du Cameroun dans une école pour que le maintien d'ordre, ils appellent le maintien d'ordre. C'est pas pour rien. Donc l'argent du Niger là, c'est l'argent du contribuable, c'est notre argent nous les Nigériens. Donc ce n'est pas inadmissible à ce qu'on vous dépense notre argent. Vous partez là-bas pour apprendre les bonnes pratiques, les bonnes manières et vous venez ici les appliquer, autre appliquer autre chose. Plusieurs étudiants et élèves des instituts et écoles professionnelles de Niamey n'ont pas eu accès aux salles de cours toute la semaine écoulée. Ils ont été interdits par les responsables de leurs écoles faute du non, euh, faute du paiement par l'État de leurs frais de scolarité. Euh, c'est pourquoi l'Union des écoles et instituts euh, des écoles professionnelles et techniques de Niamey, UEPTN, a lancé un mot d'ordre de grève de 24 heures hier jeudi 18 janvier 2018. Quels sont les motifs de ce mot d'ordre et les mots de réponse avec Yacouba Nouma, secrétaire chargé aux, aux affaires culturelles et sportives de l'UEPTN, interrogé par Moutari Mahamadou. Nous sommes en grève de 24 heures parce que nous avons remarqué que nous sommes face à un gouvernement qui ne respecte pas l'éducation. Vous n'êtes pas seul de savoir que ça fait de cela deux à trois jours que les boursiers de l'État dans nos écoles sont en train d'être chassés parce que l'État tout simplement pas versé leurs frais de formation. Nous sommes vraiment choqués. Nous en avons marre. Vraiment ras-le-bol de voir nos camarades humiliés, nos camarades ridiculisés, des camarades boursiers qui, si aujourd'hui leurs frais de formation n'ont pas été versés, c'est pas de leur faute et c'est pas la faute de ces écoles-là, plutôt la faute d'un gouvernement irresponsable. Aujourd'hui au Niger, depuis les frais d'inscription 2015-2016 qui ne dépasse pas 1,5 milliard n'a pas été versé. On a touché le gouvernement, les fondateurs ont touché le gouvernement. On a lancé des mots d'ordre d'expansion des, des activités académiques. Et jusque-là, le gouvernement n'a pas réagi. Ce mot de 24 heures n'est qu'un avertissement. Issa Madougou du groupe de presse Ténéré, vous venez là d'écouter Yacouba Noma, qui est le secrétaire chargé aux affaires culturelles et sportives de l'UEPTN. Votre commentaire ben, Je crois que cette situation, vraiment, elle doit interpeller tout celui qui est soucié de l'avenir d'un pays. Parce que ce sont des cadres aujourd'hui, futurs cadres aujourd'hui, qui sont euh, privés de formation. Mais moi, je pense qu'il faudrait aussi voir, euh, dans des cas pareils, la démarche à suivre. Parce que, au lieu d'aller directement en grève, est-ce qu'ils ont essayé, tenté de rencontrer les autorités de tutelle pour en savoir de quoi il s'agit? Créer un cadre de dialogue entre l'UEPTN, le ministère, eh, l'association des, écoles professionnelles et techniques pour que ensemble, parce qu'il ne faut pas que chacun soit de son côté. Eux, les promoteurs disent qu'ils ne sont pas payés. Les élèves ici disent que non, nous ne sommes pas d'accord parce qu'il faut que le gouvernement respecte ses engagements. Le gouvernement ne parle pas. Si maintenant tous ces trois bords-là, chacun campe sur sa position, je ne pense pas que nous aurons une solution. Il faut que créer un cadre de concertation avec tous les acteurs pour pouvoir ensemble réfléchir et le gouvernement au moins de faire parce que ensemble parce qu'il y va de l'UEP, de l'intérêt de l'UEPTN et des promoteurs de trouver, de, s'accorder sur les mêmes points pour que au moins amener le gouvernement, même si c'est par échéance, de pouvoir leur verser euh, euh, euh, dans un premier temps et d'échelonner le paiement. Parce que c'est vrai, il faut reconnaître que ces écoles sont éprouvées financièrement parce ils ont déjà des écoles qui ont plus de 300 boursiers et qu'ils continuent à leur dispenser. Donc c'est un peu difficile vu la situation économique actuelle du pays. Je ne pense pas qu'ils peuvent venir à leurs besoins. Et il faudrait aussi ne pas oublier ce qui les agace aussi depuis octobre. La nouvelle loi de finances leur impose une nouvelle forme de taxation. C'est pour cela que ces gens-là sont acculés aujourd'hui. S'ils ne payent pas, Beaucoup n'ont pas les moyens aujourd'hui de payer la vie d'imposition qui les avait. S'ils ne payent pas, leurs écoles seront fermées. Et bon, c'est de bonne guerre aujourd'hui de, mettre l'État au mur pour dire payez-nous d'abord, sinon nous on ne va pas, on ne va plus recevoir vos études, excusez-moi. Gary Amadou du quotidien de La Nation, comment expliquer des arriérés de versement de trois années de frais de scolarité par l'État aux différentes écoles professionnelles de la place. moi, je, moi, je comprends la colère des propriétaires de, l'établissement euh, technique et je comprends la colère des scolaires parce que, quand même, euh, euh, qu'on vous dise que pendant trois ans, on n'a pas versé vos frais de scolarité au niveau de ces écoles-là, mais comment ces écoles-là font pour vivre mais c'est étonnant. Donc vraiment, moi je suis, moi je suis, je suis d'accord avec la colère des propriétaires de, de, de, de, techniques. Et j'ai dit, je comprends la colère des étudiants. Seulement peut-être que c'est comme l'a dit euh, euh, euh Issa, euh, c'est, peut-être la méthode qui n'a, pas été bonne. Les parce bon, d'approche. Les d'approche, parce que bon, la grève elle n'a aucun sens. Puisque déjà, les promoteurs disent qu'ils ne vont pas venir prendre cours, ils refusent. Donc, <laughs> ça n'a aucun sens la grève. Donc, c'était tout simplement quelque chose qu'il fallait même pas. C'était ridicule à, la limite. Il fallait tout simplement maintenant essayez de voir comment est-ce que vous allez, faire pour rencontrer les autorités et surtout voir comment est-ce qu'un échéancier de paiement au niveau des... C'est en relation avec les propriétaires des écoles hein, que ça doit se faire. C'est-à-dire que c'est un comité qui va regrouper les structures étudiantines, euh, les propriétaires des écoles et, et les représentants de l'État. Maintenant, si l'État ne peut pas payer tout d'emblée, au moins qu'il y ait un échéancier qui puisse permettre à ces élèves-là de reprendre les cours, que les, promoteurs leur disent, bon, puisque l'État nous promet cette semaine de nous verser telle somme, nous allons accepter que vous commenciez à prendre les cours. Maintenant, on va surveiller. Si l'État remplit son engagement, vous allez finir l'année en toute, tranquillité. Mais si l'État ne remplit pas ses engagements, eh bien, on va encore vous dire d'arrêter de venir prendre des cours. Et ce qui est tout à fait normal. Murtala Mohamedou de l'Obdomadaire La Griffe, Joint au téléphone par le studio Kalangou, le ministre des Enseignements supérieurs Yahouza Sadissou promet d'apporter une solution à ce problème dans les plus brefs délais. Est-ce un début de solution Écoutez, euh, les promesses, je crois, ça n'a jamais été un début de solution euh, parce que ce problème a été posé lors de, euh, pendant que euh, un autre ministre était à la tête de ce département ministériel. lors des examens, on a connu un semblant d'accalmie, puis qu'est-ce qui s'est passé après Si les, promoteurs des écoles, les établissements privés reviennent aujourd'hui à la charge, c'est parce que euh, rien n'a été fait. Donc, vous voyez, euh, je dis, il y a quelque part euh, un problème, le problème qui se pose au niveau de ce ministère dont l'État n'arrive peut-être pas à honorer ses engagements et ça a des répercussions, ça a des conséquences. Qu'on se souvienne aussi de la réforme qui a été initiée dans ce ministère pour imposer aux étudiants boursiers de faire le choix soit de l'inscription dans les universités publiques ou dans les universités privées. Alors qu'avant, ils avaient la possibilité d'avoir cette double inscription. Alors, ces étudiants ont choisi d'abandonner les universités publiques pour aller s'inscrire dans les universités privées. Alors, pourquoi, bon sang, l'État ne fait pas les efforts nécessaires pour prendre en charge euh, cette scolarité C'est un choix qui leur a été demandé de faire. Ils l'ont fait. Alors, il faut qu'on s'assume. Toujours sur le front social, cette fois-ci, il s'agit de la marche de protestation contre la loi de finances 2018 du cadre de concertation et d'action citoyenne dimanche dernier à Niamey et dans certaines localités du pays. Gary Amadou du quotidien La Nation, quelle lecture faites-vous de cette manifestation ici et à l'intérieur? Oui, ça, ces manifestations sont l'expression de la démocratie, de, de l'expression de la liberté d'expression, parce que pour moi, je l'ai dit déjà sur d'autres plateaux de télévision, je pense que euh, euh il faut laisser les gens exprimer leur colère. Euh, donc, si les gens veulent manifester, moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse leur empêcher de manifester. Je crois qu'on les a ils, ils, ont manifesté un week-end d'ailleurs, n'est-ce pas Ils ont promis de manifester chaque week-end. S'ils veulent manifester chaque week-end, je pense qu'on doit les laisser. Chaque deux semaines Non, ils ont dit chaque deux semaines, si, si ça va pas, chaque semaine, après, un a dit si ça va pas chaque jour. <laughs> Bon, ça, me fait rire, mais, mais bon, on, retiendra quand même que, en tout cas, il y a une dynamique qui est là, qui vise à ne pas empêcher aux manifestants de tenir leur manifestation. Surtout que ça se passe le week-end, ça ne bloque aucune administration. Je pense qu'on doit aller dans ce processus-là. Et je me suis réjoui de voir que cette manifestation-là a été mieux encadrée que les débordements qui ont été constatés lors de la manifestation organisée par Actis, qui, à son corps de fendant, et, voulait, Actis a tout fait pour empêcher aux manifestants de partir vers l'Assemblée nationale, mais les dirigeants d'actifs ont été pris à partie par les manifestants, ils ont été violentés et on a vu les conséquences que, au a ça aboutit jusqu'à leur incarcération et heureusement leur libération. Donc, le fait que ces manifestations se passent de façon pacifique, le fait que euh, ceux qui sont mécontents expriment leur mécontentement dans la rue, moi je pense que c'est la démocratie nigérienne qui gagne. Issa Madougou du groupe de presse Ténéré. Ces organisations de la société civile comptent maintenir la pression en organisant des manifestations similaires toutes les deux semaines. Doit-on s'attendre à un grand changement Bon, à moins que je ne sois un majeur, je ne peux pas prédire l'avenir, mais quand même nous souhaitons que qu'il y ait vraiment euh, une issue heureuse à cette situation. Quand il y a l'expression euh, d'une colère et il faut essayer d'écouter l'autre partie pour pouvoir trouver une solution. C'est ça, il faut les laisser manifester. On l'a toujours dit sur ce plateau. Le fait d'interdire vraiment, c'est même une entrave. Ça n'honore pas notre démocratie. Donc, il faut garantir les libertés des uns et des autres. Donc, c'est ça qui grandira notre démocratie. Je pense que euh, cette colère des Nigériens par rapport à cette loi de finances doit aussi faire en sorte que le gouvernement devrait ouvrir la porte pour la négociations. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un État doit se pilier automatiquement selon eh, les explications, parce qu'on dit que c'est des directives de l'UMOA. On ne doit pas forcément se pilier à ces directives quand vos concitoyens, ceux-là pour qui vous existez, parce que sans peuple, il n'y aura pas de pouvoir. Sans la prise en compte de leurs exigences. Parce que vous voyez, quand je vous prenais le cas de la Côte d'Ivoire, la taxe qu'ils ont mise sur les produits de première nécessité. Mais le patronat a été obligé parce que c'était la loi additive euh, sur la loi des finances 2018. On a, on a euh, l'exonération qu'il y a, on l'a arrêté. Maintenant, on a fait encore euh, une augmentation. C'est que le patronat a dit à l'État, non, écoutez, nous, ne sommes pas d'accord avec ça. Il faudrait que vous venez à la table de négociation et ensemble, on trouvera un solution. Moi, je pense que c'est cette dynamique. Comme les organisations, le cadre de concertation, ne critiquent pas l'ensemble, ils ne rejette pas l'ensemble des articles de, de, la loi de finances. Non, c'est certaines mesures, ce n'est pas toutes les mesures, mais certaines mesures. Mais les mesures-là, moi, je pense que pour l'État, ils peuvent faire l'objet de discussions. Ils peuvent faire l'objet de discussions. Euh, Murtala Mahamadou de euh, satirique La Griffe. Comment voyez-vous ce combat de la société civile en tant qu'observateur de la scène publique vous euh, euh, ce combat, il est tout à fait noble de mon point de vue, hein, parce parce qu'il y a des euh, euh, divergences d'opinion, d'une part parmi les citoyens, ceux qui estiment justifier les mesures de contenu de la loi des finances, et de l'autre côté, ceux qui s'y opposent. Ok, il y a débat d'idées à ce niveau. sans doute que peut-être les jours à venir vont faire, vont, on va assister peut-être à, un renforcement de cette lutte, comme l'ont annoncé les, responsables de ce cadre de concertation. Je crois que il serait beaucoup plus intéressant euh, qu'on retrouve euh, l'exemple ivoirien, mais c'est là, cette fois-ci, pas seulement le gouvernement face au cadre de concertation, parce que le cadre de concertation ne comporte pas le, les syndicats du, patronat, que euh, les, le patronat aussi s'associe et qu'ils on essaie de créer un cadre qui puisse permettre de, pouvoir identifier les, solutions et les alternatives et qu'on puisse peut-être éventuellement les adopter. Mais tant qu'on va rester dans ce schéma, euh, on adopte, c'est validé, c'est adopté, et que de l'autre côté, on aille de la contestation. Euh, je crois que ça ne va pas produire de euh, grand-chose, sinon que des manifestations de rue avec les risques de débordement qu'on connaît. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou avec comme invité Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Murtala Mahamadou de l'obdomadaire satirique La Griffe et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 avec euh, Ada Maman pour le forum en Hausa et Balkis Hamidou pour le forum en Zarma qui nous parleront des avantages ou non du nombre très important des partis politiques au Niger. Merci, au revoir.